Euh, monsieur le Président du Conseil départemental de Goudam, Moussa Bokoum, Goudam vous souhaite la bienvenue. Qui est Tentouke Djaï à la tête de cette délégation. Après une caravane à l'intérieur du pays ou du département qui est Tentouke Djaï. Je voudrais tellement citer tous les membres de la délégation, mais a pas mais chacun se retrouve dans les salutations du président du conseil d'administration. Euh, Amin, le <laughs> président du conseil départemental. Donc, que tout le monde se retrouve dans ça, tous les membres de la délégation, vraiment. Kal Tentou Kal Djaï. Ka Goudom Konton, Alfal, Ka Gudom Moussol Konton, Ka Gudom Fondinkel et mention spéciale aux femmes de Gouda. Je dañuy wax ne le maire mom jigéen rek ñoo fal machallah. donc kal vous kal jay Fatou Sonko encore une fois bravo félicitations vraiment ka fondinkel compton la jeunesse de Gouda. Parce que moi, j'ai un rapport particulier avec les jeunes. Mais heureusement pour moi, je ne le dis pas très souvent. J'ai un rapport particulier avec la jeunesse de Kouda. Mais Diamo Siata, moi, quand il y a trop de bruit, je préfère me taire. Je ne parle que quand c'est nécessaire. Mais bi, bi, Il faut Iko Alfalda Manne Bessirinia. à Corsi, Monsieur le Président du Conseil, on a attendu longtemps. Gouram n'a pas l'habitude des meetings tardifs. <laughs> Beaucoup sont partis. Mais ce n'est pas ça le plus important. Moussoul Moulbe Sirinjanto, Alphal Dammano et Karto Mais quand une femme est là jusqu'à minuit, c'est parce que le mari derrière a accepté que sa femme soit là. Donc, Kalkema Tentou la carte aujourd'hui, tu peux ne pas avoir la carte de la femme. Mais quand tu as la carte de la femme, généralement, tu as la carte du mari. Donc, tu de la femme, franchement, la tala. Kafo gudompunko leko encore une fois, parce que diamo siata baki fola amokafo. Pour ces élections-là, le 17 novembre, à l'Assemblée nationale, dans le département de Goudop, mais les Sambala Assemblée nationale. Il y a 15 communes dans le département. Et là, je parle au Goudompois. Il y a 15 communes dans le département. Mais communes Sambala Assemblée nationale. Au Natake, Mamboy Manga, honorable député Yorombalo. Mais et Manga, elle est de Goudam. Quand j'ai parlé ici la dernière fois, et monsieur le maire, le oh, discours au Samba dans le département, parce que elle fait de cette élection-là, il fait de l'élection, le département, l'élection de, la commune de Goudam. Non, je ne fais pas, je fais pas de cette élection-là une élection de la commune de Goudam nko budankunkoolu wo moo fuloolu ye mun tomboo les deux qui sont choisis gudon po diŋo baa kono ye moo fuloolu mun choisir gudon po diŋol baa notre liste a cette chance là de prendre à gudon quelqu'un. ni ma faali ni ma faali Il est comment les le folaali ye mun maŋ ke wol womo Vous gudon pe chance soto a dingo bakono ikomo kanafo parce que le dire ça n'arrange pas de l'autre côté nko je le répète encore gudon pour dingo albe voté no la jumale ye ibe voté no la jumale mum manke bintu mangati parce que ni moy botanam mané la commune de Kaour a accepté la coalition Taku Kaurumkolko et Dakortale. Dibanar Dakorta, les gens de Taku. Simandi Balante Dakorta. Mangarungu Dakorta. Mais Tanaf Dakorta. Karantaba Dakorta. Judubu Dakorta. Nyanga Dakorta. Pour se battre pour que Goudambou Yontambi, Goudambou Dingo, non, il refuse d'envoyer son propre fils à l'Assemblée nationale. Mais voilà, Mundi, tous ces gens-là qui vont voter pour nous là, pour que l'histoire tambi, mais de voter la Mambitou Mangale d'abord avant qu'ils ne votent pour, pour, pour Il faut qu'on soit d'accord. Nyanga va, Nyanga va soutenir la liste parce que Nyanga voudrait que Yorombal soit à l'Assemblée nationale. Goudom doit se battre. Et ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Pour une première fois, on a sauté en 2022, on a raté le coach. Parce que j'ai dirigé la tête de liste département il y a des failles quelque part. On l'a accepté de bonne foi. Ni Goudom a raté en 2022. Je vais faire en sorte qu'une Poids soit sur la liste en, triste départementale. Tout fils de Goudom, tout ceux qui se réclament de Goudom, au-delà du fait que je suis Poids, tout ceux qui se réclament de Goudom, mais contribuer à cette victoire-là, c'est ouvrir une nouvelle page politique pour Goudom les gens ne veulent pas que Kamouy envoyer comme Assemblée nationale à Bogoudom Goudom C'est ouvrir une nouvelle page de l'histoire politique de ce, département-là. Vous voulez qu'on nous reste dans le passé là Kabrim depuis que Goudompi Goudompi a commencé, on est aujourd'hui la locomotive départementale. Mais nous député Sotom Fayé. Fonga Sotom Fayé, à la fournier. C'est Bosco qui est arrivé par, catastrophe naturelle. C'est vrai, il a été député par catastrophe naturelle, par la mort. Quand on se battait, on ne souhaitait pas que l'autre soit, mort. Donc, Bingam des Soto. Iko, non, non, non, non, on va aller à Jatakunda. Non, Al Nga Ningudompo Diouma voté Bintou Mangaï. Mais tu, il va voter avec Djoumalé dans le passé. Sona Kinti, solide 40 Karantaba. Djoumalé à Londjam. Personne à Goudom Nolokon. Il comme Kano combattre. Mais au nom de quoi Il y en a Moi, je veux tellement que les leaders de Goudom, les responsables de Goudom, Yenkili, comme Monsieur le maire, pour telle et telle raison, valable, nous avons voté la Bintou Mangaï. Je sais que les gens m'écoutent, les gens m'entendent pour que ça Salonko, ce serait grave par rapport à notre propre conscience que Goudom ne gagne pas ces élections-là. Donc vraiment, à Dieto Sain, Monsieur le Président du Conseil départemental, je voudrais bien parler, mais je sais qu'Albert Batarine. Mais mon fola Goudom pour Moussolé, Anne Goudom pour Fondinkel, c'est aujourd'hui que le combat commence. N'allez ya mira fo nga munje département kono en Mais gagner là, on va se tromper il faut ko nga nassamato dum gudam kono jan ñanta dun na damin nga dunde to on n'a pas fini la campagne Goudam. gudam moi je suis prêt pour ça à partir de demain matin hani nga mbande jam miduna campagne là. donc que la jeunesse comprenne non c'est vrai ça sino bantale ça et, et je pense que les, les, les amis de l'autre camp ont compris ça c'est le moment de gagner ces élections. Jeudi, vendredi, samedi, c'est pour ces trois jours-là qu'on va gagner des élections à Goudam. Donc, Mbal Danila, Moussoul, Mbal Danila, Fondinkel, Moumouela Samatoudi, Seduano Mouye Diamoué. L'argumentaire de Kafou a voté Bintou Mangay, c'est un argumentaire qui est facile. C'est pas compliqué, hein? c'est pas de la politique ça. C'est du raisonnable quoi. Il jumal convaincre la jang nene ma je mais iba iba que c'est pas raisonnable quoi moi je veux qu'on me ça ye landi koy ye sona soli landi mais pourquoi tu vas la choisir vraiment je remercie tout le monde kalten merci beaucoup